Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par 46 radios et 6 télévisions partenaires sur l'ensemble du territoire. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studioKalangou.org. Bienvenue dans ce forum du studio Kalangu, l'émission qui répond aux questions que vous vous posez régulièrement. Ce soir, nous nous intéressons au sujet des maladies tropicales négligées, causes et mesures préventives. Les maladies tropicales négligées, communément appelées MTN, constituent aujourd'hui un problème de santé majeur à travers le pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, Près d'1,5 milliard de personnes sont affectées par les MTN, dont 39% vivent en Afrique. Composé d'une population de 22,44 millions d'habitants en 2019, avec un taux de pauvreté de 41,4% selon les statistiques de l'Institut national de la statistique INS, le Niger n'est pas épargné par ces maladies tropicales négligées. Alors, euh, qu'est-ce qu'une maladie tropicale négligée comment se fait la prise en charge, quelles peuvent être les conséquences des maladies tropicales négligées, quelles sont les mesures préventives. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Mamata Mabey, membre de l'ONG NAFA, volet santé. Bonsoir Madame Mamata. Bonsoir. Docteur euh, Kongizé Zibeirou, ancien secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes orthopédiste euh, hôpital Lamordi. Bonsoir, euh, docteur. Bonsoir, madame. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Je commence par euh, docteur Kongize Ziberou. Qu'est-ce qu'une maladie tropicale négligée MTN Merci Fatih. Les maladies tropicales négligées, ce qu'il faut retenir d'abord dès qu'on parle de tropicales, mhm. c'est par rapport au climat. Ce sont des maladies qui se vivaient dans les régions dont il y a la chaleur et l'humidité. Donc ce sont les facteurs favorisants pour le développement des microbes responsables de cette maladie. Mhm. Et malheureusement, au Niger, donc, on a une partie qui correspond à ce climat-là, mhm. ce qui fait que nous ne sommes pas épargnés. Et ces maladies tropicales négligées, on parle de négligées, c'est parce que ce sont des maladies qui s'attaquent le plus souvent mhm. à des couches sociales assez délaissés, des gens pauvres. Et quand vous faites la petite comparaison, vous avez vu, quand la maladie à coronavirus est venue, mm. comme elle, elle s'attaque à tout le monde, elle n'épargne pas les gros bonnets, comme on le dit, vous voyez tout de suite comment les gens se battent pour trouver la solution. Mhm, mhm. Mais malheureusement, les maladies tropicales mhm. dont on va parler, ça, ça s'attaque vraiment à une couche pratiquement délaissée parce que ce sont des, des pauvres, des gens qui ont des conditions de vie assez précaires. Donc voilà un peu l'appellation. Et quels sont les différents types euh, qu'on rencontre aussi au Niger Bon, ce qu'on appelle euh, couramment la bilagose. Donc euh, la, personne fait les urines de, urine du sang donc on rencontre ça au Niger. Et vous avez l'oncocercose, la cécité des rivières, donc euh, qui s'attrape au cours autour des rivières. Mhm. Donc euh, vous avez en dehors de ça la dranciculose, ce qu'on appelle communément les vers de Guinée. Donc voilà essentiellement ces maladies qu'on rencontre au Niger. Mhm. Là, j'informe donc à nos auditeurs euh, que nous avons eu à rencontrer le programme national de lutte contre les maladies négligées. Et après plusieurs euh, échanges et des coups de fil, euh, peut-être le programme n'a pas jugé donc utile de participer à ce forum. Sinon, j'ai eu à rencontrer la dame une fois et des coups d'appel plusieurs fois depuis deux semaines et sans suite. Docteur, est-ce que ces maladies sont contagieuses? Oui, c'est ça leur point fort. Ce sont des maladies contagieuses et souvent, ce sont des maladies qu'on contacte dans des endroits salubres. Donc, euh, ce sont des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ce sont des gens dont les conditions d'hygiène sont assez précaires. Donc, c'est là, et ce sont des gens qui vivent vraiment dans l'extrême promixité. Ils sont, tu as 10, 15 personnes qui vivent sur une petite superficie, 9, 12 mètres carrés. Donc le contact entre les individus est assez avancé. Tous ces facteurs favorisent la transmission. Ces personnes euh, prennent l'eau au même, à la même source, euh, c'est le marigot qui est derrière le village. Tout le monde vient, c'est dedans on se lave, c'est dedans on lave les habits et c'est dedans qu'on prend l'eau à boire. Donc vous voyez, toutes ces conditions favorisent la contamination. Mhm. Les germes circulent entre les personnes dans ces milieux défavorisés. Et docteur, comment identifier qu'une personne est atteinte par exemple de la bilharziose ou bien la cécité Voilà, donc euh, la bilharziose, comme je le disais tout à l'heure, il y a les urines. La personne te dira que quand elle urine, c'est du sang. Et c'est en ce moment qu'on va au laboratoire mhm. pour faire un examen sur les urines de cette personne. Mhm. On cherche les œufs mhm. de ce, de microbe-là, mhm. les œufs de bilagie, et quand on les découvre, c'est en ce moment qu'on dira que cette personne, c'est la bilagieuse qu'il a. Voilà, et maintenant, on institue des traitements. Ce qui fait que vous voyez, au niveau du ministère, euh, pratiquement de façon périodique, ils font des distributions de comprimés et qui sont efficaces contre la bilageuse et un peu pour les parasites intestinaux mhm. et pour essayer de voir comment faire pour réduire la contagiosité de ces maladies. Et la, la cécité La cécité, ça, c'est vraiment quand vous prenez par exemple euh, le trachome. Mhm. Et en plus des, des troubles visuels que la personne a, vous allez voir que les poils euh, au niveau de, de, l'œil là, ce qu'on appelle les cils là, mhm. qui ont tendance à se renverser et aller jusqu'en en contact avec la cornée. Mhm. Et c'est-à-dire l'organe de la vue même en mhm. tant que tel. Donc ça va commencer à gratter cette lentille qui est là, qui nous permet de voir. Et quand c'est gratté, malheureusement, les images ne passent plus. Donc, les troubles visuels vont s'installer. Et qu'est-ce qu'il faut faire de l'apparition des premiers signes de cette maladie Dès les premiers signes de cette maladie, c'est la consultation la consultation, dès que la personne urine une fois que tu vois du sang ou que la personne voit que sa vision est en train de baisser ou bien qu'il remarque quelque chose d'anormal, c'est de consulter au niveau du CSI le plus proche. Mhm. Et là, on peut être alerté et quand on prend les choses à temps, les conséquences seront vraiment moindres. Mhm. Quelle est la tranche d'âge la plus affectée par les maladies tropicales négligées Dans un premier temps, vous verrez que c'est mhm. beaucoup plus euh, la petite enfance. Donc, les enfants qui ont l'âge où ils commencent à être partout sans contrôle. Mhm. Donc, à partir de l'âge 7, 8 ans jusqu'à 15 ans, en mhm. ce moment, il y a moins de contrôle. Donc, l'enfant, il est dans toutes les situations. Mhm. Donc, ils font leur première contamination de cette tranche d'âge-là. Mais néanmoins, néanmoins, il y a à, la chose, à l'âge adulte aussi, les personnes sont contaminées, mais surtout, surtout, ce sont les femmes et les enfants ce sont les plus attaqués par ces maladies tropicales négligées. Voilà. merci, docteur. Hamza Jibo, membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. Dites-nous euh, quelle est la mission assignée euh, de la plateforme. Ok, merci bien. Merci de m'avoir invité à ce forum qui porte sur des thématiques de la santé. Alors, la plateforme euh, démocratie sanitaire et implication citoyenne, est une plateforme de la société civile euh, active dans le cadre du, secteur de la santé. Mhm. Alors, notre mission euh, se décline en trois axes. Mhm. Le premier axe, c'est le suivi stratégique citoyen en matière des offres de services de santé. Mhm. Et le deuxième axe, c'est euh, le suivi budgétaire qui est alloué à la santé. Et le quatrième axe, c'est la gouvernance euh, sanitaire. Mhm. Voilà donc euh, nos missions et nous sommes en train de travailler là-dessus. Mhm. Et nous avons au niveau de chaque axe thématique mhm. un lead et donc moi-même, je suis le lead du groupe thématique gouvernance. Hamza, pourquoi avez-vous décidé de créer un tel projet Alors, la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne s'est fait ressentir Mm-hmm. pour que nous puissions vraiment coordonner euh, nos activités mm-hmm. en matière de la santé, mm-hmm. puisque la société civile constitue aujourd'hui un acteur incontournable dans le cadre de la lutte contre les différentes maladies que nous connaissons dans notre pays. Donc c'est vraiment euh, important aujourd'hui que nous puissions fédérer nos efforts pour fédérer nos expériences et fédérer aussi nos expertises. Et c'est ça aussi, en tout cas, le motif de la mise en place de cette plateforme euh, de la société civile. Mhm. Nous avons bien voulu la participation du programme national de lutte contre les maladies négligées pour avoir la situation épidémiologique des MTN au Niger. Malheureusement, elle n'est pas avec nous. Alors, euh, de prime abord, c'est que les maladies tropicales négligées, mhm. et en fait, les enfants euh, âgés de 0 à 5 ans, mhm sont la tranche d'âge malheureusement euh, de la population la plus affectée. Ensuite, s'ensuit euh, les populations vulnérables mhm. parce que en fait les maladies tropicales négligées sont des maladies en fait euh, comme on le dit excusez-moi du terme des pauvres mhm. voilà mhm. et quelles sont les régions les plus concernées par les MTN voilà en fait ça dépend de la maladie par exemple si je prends la bilharziose par exemple et les statistiques nationales montrent que les 72, la bilharziose existe dans les 72 districts sanitaires euh, du Niger, mhm. mais la bilharziose est plus présente, par exemple la bilharziose intestinale est plus présente à, Gaïa et à, à mm. Voilà. Donc euh, quand vous prenez aussi euh, d'autres maladies comme j'allais j'allais prendre peut-être le trachome, mhm. c'est aussi une maladie qui est pratiquement, j'allais dire, présente dans toutes les huit régions. Mhm. Voilà. Donc vraiment, ce qu'on peut dire, c'est en fonction de, de, la maladie mhm. euh, qu'on a vraiment euh, des concentrations de mhm. cas euh, dans une ou une autre région. Par exemple, quand vous prenez par rapport à la bilharziose, c'est tout à fait logique, puisque quand vous prenez la zone de Gaïa et de Tlaveri, c'est tout au long du fleuve Niger, pardon. Or, la bilharziose, on sait que euh, le parasite euh, qui transmet la maladie et se trouve dans les eaux des, rivières. Donc euh, les riverains du, fleuve sont beaucoup plus concernés par cette maladie. Exactement. Et quelles sont les actions menées par la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne dans la lutte contre les MTN au Niger Alors, la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne, c'est une plateforme qui coordonne les activités des acteurs de la société civile en matière de santé. Mm. Et donc, nous, nos actions que nous menons, elles s'inscrivent en droite ligne des orientations des politiques nationales. Mhm. Comme vous le savez, le Niger a un plan directeur mhm. de lutte contre euh, les MTN, mhm. les maladies tropicales négligées, décliné en quatre axes stratégiques, notamment la mise à l'échelle des interventions par rapport aux MTN, le renforcement de la planification axée sur le résultat et la mobilisation des ressources, le renforcement des plaidoyers de coordination et le suivi évaluation. Mhm. Donc nous nous intervenons plus au niveau de la plateforme sur les deux derniers axes le renforcement des plaidoyers, mhm. et la coordination des interventions mhm. et l'appropriation du programme par les acteurs concernés, ainsi que le suivi évaluation. Voilà. Donc nous avons un dispositif de suivi et de communautaire qui s'insère dans la pyramide sanitaire à travers lesquels nous avons des informations que nous remontons au niveau donc euh, central, mhm. qui s'appelle OCAS, Observatoire communautaire du service de santé. Mhm. Voilà. La plateforme a eu à enregistrer des résultats significatifs dans, la lutte. Exactement. La plateforme a effectivement obtenu des résultats mhm. significatifs, puisque euh, chaque trimestre, nous avons ces rapports-là. Et ces rapports-là est validé avec euh, en fait, le ministère de la Santé et les autres acteurs parties prenantes. Mhm. Donc nous rapportons, par exemple, des cas. Il peut y avoir, par exemple, des ruptures de stock de médicaments dans un district donné. Donc nous, nous faisons l'alerte mhm. par rapport à ça. Il peut y avoir des cas de discrimination. Il peut y avoir des cas euh, de mauvais comportement des agents de santé mhm. euh, face à un patient. Donc tous ces cas-là, nous les rapportons. et tout récemment, nous avons fait euh, nous avons engagé un consultant au niveau de la, de la région de Dosso, et à travers lequel nous avons pu identifier un cas de violation des droits humains dans le cadre des services de la santé. Mhm. Et nous avons commandité cette enquête et l'enquête, nous avons partagé le résultat et un plan d'action a été élaboré mhm. avec la direction régionale de la santé de, de Dosso. Mhm. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment en train de travailler et nous accompagnons le ministère. Et le ministère vraiment euh, reconnaît mhm. la plateforme des ICI comme vraiment acteur d'accompagnement euh, dans le cadre des services de la santé. Mhm. Nous entamons à présent la deuxième partie du forum euh, consacré à la prise en charge des malades. Docteur euh, Kongize Zibeirou, quels peuvent être les risques et les conséquences des maladies tropicales négligées au plan social et économique Au plan social et économique, euh, ces maladies tropicales négligées, c'est vraiment une catastrophe. Mm-hmm. Une catastrophe en ce sens que elles sont responsables d'handicap. Donc vous voyez par exemple quelqu'un qui fait l'éléphantiasiste ou bien quelqu'un qui a le verre de Guinée, il a une grosse jambe lourde qui est là, mhm. il est chose, euh, il lui-même il ne peut pas bouger, il est vraiment à l'âge de la maturité presque où il doit être, il doit être capable de produire, il ne peut rien faire, il faut que la famille vienne à sa charge. Donc vous voyez, lui il est handicapé. Mhm. Un. Deuxièmement, il devient une charge pour la famille. Mhm. Et ça fait un manque à gagner pour cette famille parce que sur le plan productivité, lui, il ne produit rien. Il ne fait que consommer. Et l'autre conséquence, c'est que ces maladies sont responsables de la discrimination. Donc, lorsque tu atteins de ces maladies, mhm. quelqu'un qui a le verre de Guinée, il a son, petit bâton qui traîne avec le verre qu'on enroule mhm. régulièrement, vous voyez, les gens ne veulent même pas s'approcher. Mhm. On pense que dès qu'on s'approche de lui, c'est fini, toi aussi, hop, tu es contaminé. Donc, tu vois, c'est source de rejet. Quelqu'un qui est rejeté dans la société, vous voyez sur le plan psychologique ce que ça fait. Et maintenant, au-delà, comme je vous dis, ça fait encore un manque à gagner sur le plan de la productivité. Il ne peut pas partir au champ. Mhm. Il ne peut rien produire. Il ne peut mhm. pas faire le commerce. Mhm. Même s'il se met dans le commerce, personne ne veut acheter à cause, de sa maladie. Donc, vous voyez un peu ces maladies. Et en dehors de ça, ça peut être la cause de mortalité. Vous voyez, parce que quand vous, quand vous prenez par exemple la maladie du sommeil, qu'on voit beaucoup plus dans les forêts, <laughs> et là, la maladie, elle est tellement terrible que ça peut entraîner la mort. Et même si ces, ces, maladies tropicales négligées n'entraînent pas tout de suite la mort, elles servent de terrain pour que d'autres maladies mhm. viennent s'ajouter mhm. et qui vont entraîner la mort de la mhm. personne. Parce que la personne est là avec sa maladie, il y aura une surinfection. Il n'a même pas traité la première maladie, la surinfection viendra c'est pour cheville. <laughs> Et aussi, euh, ça aura aussi un impact sur le plan éducatif, euh, puisque l'enfant aussi euh, n'arrive pas à aller à l'école. Il ne peut pas aller à l'école, mhm. il ne peut rien apprendre, il ne peut pas mhm. approcher ses collègues. Donc, même cette petite initiation de l'enfance, il ne peut pas le faire parce que tout le monde le rejette. Mhm. Le traitement traditionnel, est-il recommandé, docteur Le traitement traditionnel, je respecte beaucoup le traitement traditionnel, mais je pense que, en fait, ceux qui disent qu'ils font le traitement traditionnel, non seulement ils ne maîtrisent pas le traitement traditionnel. Les gens le font aujourd'hui beaucoup plus comme gagne-pain, alors qu'auparavant, on sait que nos arrière-grands-parents, ils le font parce que c'est une science qui est transmise de mhm. famille en famille. Et donc, aujourd'hui, je doute fort qu'il y ait des gens qui maîtrisent cette science d'abord, mhm. parce que c'est l'aspect commercial qui a pris le devant. Donc, pour cette raison, moi, je pense que, eh bien, avec tout le respect que j'ai à l'endroit des, <laughs> des, traitements traditionnels, mm. je pense qu'on doit rapidement aller vers mm-hmm. les infrastructures modernes mm-hmm. pour être accompagné. Et quelles conséquences cela peut avoir sur le malade si on prend par exemple l'éléphantiasis D'autres pensent que c'est un sort qu'on qu lui a Voilà, on pense que c'est un sort, on pense que vraiment, on va même remonter jusqu'à son arrière-grand-parent, qu'il y a quelque chose que son arrière-grand-parent a fait et que toute la lignée mhm. sera vraiment, comment dirais-je, maudite, etc., etc. Donc on pense que c'est une malédiction. Mhm. Bah et quels sont les risques encourus par ceux qui font recours aux pharmacies par terre ou pharmacies de la rue Bon, ça vraiment, les risques sont énormes quand vous faites le cours à la pharmacie de la rue, ça veut dire que, un, vous ne savez même pas ce qu'on vous vend comme médicament. Donc, quand tu pars prendre quelque chose et tu ne sais même pas ce que tu prends, tu vois, tu ne connais pas toi-même ce que ton organisme peut tolérer mhm. et savoir ce que tu peux lui donner comme médicament. Mhm. Et deuxièmement, même si on sait ce qu'on te donne, est-ce qu'on connaît la dose qui t'est administrée donc, on ne connaît même pas la dose qu'il faut pour soigner. Donc, on fait des à peu près. Ces à peu près, au lieu de te guérir, souvent, ça complique ta maladie. Troisièmement, dans quelles conditions ces médicaments de la rue sont conservés Ce sont des médicaments qui, le plus souvent, sont dénaturés. Donc, ce qui est prévu pour faire le travail n'y est plus. Mhm. Quand tu le prends, c'est beaucoup plus. C'est-à-dire, c'est quand tu as la chance que ça sera comme un placebo, c'est-à-dire ça ne te fait rien. Mhm. Mais si tu n'as pas la chance, c'est beaucoup plus imposant que tu prends au lieu mhm. des médicaments. Mhm. Donc vous voyez, ce qui fait que les médicaments de la rue, dès l'instant où il y a les structures sanitaires qui sont là, la moindre des choses, c'est d'aller vers des gens qui sont qualifiés pour vous donner ces soins et pour que vous soyez soigné dans les meilleures conditions. Hamza Jibo, membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne le traitement traditionnel euh, n'est pas recommandé euh, d'après donc euh, docteur euh, Kungize Ziberu. Vous êtes un acteur de la société civile. Docteur a parlé des conséquences. à votre niveau, quelles autres conséquences le traitement traditionnel peut avoir sur le malade Voilà. Donc, pour nous, acteurs de la société civile, mm-hmm. et justement dans le cadre de nos activités, nous sensibilisons les communautés pour ne pas faire recours au traitement traditionnel. Parce que tout simplement, c'est que pour les traitements traditionnels, on ne contrôle pas la dose. Même si le médicament est efficace, mais on a un problème par rapport au dosage. Et aussi le recours aux médicaments de la rue. Parce que très souvent, c'est ce genre de prise de ces médicaments ou de consommation de médicaments non conventionnés qui crée la résistance aux vrais médicaments. C'est-à-dire, le, quand vous voyez, par exemple, on a des cas de résistance. Et par exemple, il y a une maladie, on sait que c'est telle molécule qui la guérit, mais au fur et à mesure qu'on donne la molécule aux patients, on voit que les patients ne guérissent pas. Donc, c'est ça qu'on appelle des cas de résistance. Et mhm. effectivement, c'est ce recours à ces genres de médicaments traditionnels qui ne sont pas dosés, qui ne sont pas conventionnés, ou aussi les médicaments de la rue qui sont parfois mhm. euh, périmés, que les populations prennent et donc, nous, dans le cadre de nos activités de sensibilisation, de communication, mhm. nous faisons comprendre à la communauté vraiment de ne pas faire recours à ces, médicaments. C'est plutôt d'aller vers les centres de santé pour se faire consulter et pouvoir avoir les bons médicaments pour le traitement de la maladie. Mhm. Docteur Kongiz Zuberu, que pensez-vous de la fréquentation des centres de santé par les malades atteints de MTN Bon, la fréquentation, comme je le disais tout à l'heure, mhm. du fait de cette discrimination, les gens sont un peu réticents. Si tu vas, c'est un peu comme euh, ce que les gens ont vécu avec l'arrivée de la maladie à Covid-19. Souvent, tu as les signes, tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait orienter vers ça, mais tu ne veux pas aller dans les formations sanitaires parce que ah, tu seras interné, tu seras stigmatisé, etc. etc. Mm-hmm. Donc, effectivement, pour ces maladies tropicales négligées, il y a ce phénomène de stigmatisation qui décourage certains à y aller. Mhm. Si vous voyez, c'est ce qui fait que souvent, dans les cadres de choses, de, la motivation, mhm. on fait même des prix pour ceux qui découvrent les malades, etc., etc. Mhm. Il y a un prix pour le malade, il y a un prix pour... Euh, des qui, passent voilà, qui passe voilà. Donc tout ça, c'est pour casser cette stigmatisation. En fait, la fréquentation, elle n'est vraiment pas au top. Les gens cherchent à se débrouiller dans leur coin parce qu'ils ne veulent pas être la risée de tout le village. Donc, euh, ce n'est pas tous les malades qui, vont, vont, dans Les, services de santé. Et c'est là aussi hein, euh, une conséquence. il, va se, compliquer il va contaminer les gens. <laughs> Comment se fait la prise en charge dans les centres de santé Dans les centres de santé, comme je le dis, il y a le personnel euh, soignant qui est là, qui est bien aguerri par rapport à ces maladies-là. Mhm. Ils savent quelles sont les mesures de précaution mhm queux mêmes ils doivent, doivent prendre, premièrement. Deuxièmement, quels sont les signes de la maladie La maladie est vue à quel stade Et maintenant, cette maladie, est-ce qu'elle est seule sur le, malade ou bien il y a d'autres complications qui sont en train de l'accompagner mhm. Et en fonction de tous ces stades-là, le personnel soignant mhm. a un cahier de route. Il sait qu'à ce stade, voilà ce que je vais faire. À mhm. ce stade, voilà ce que je vais faire. Si ça le dépasse, s'il doit orienter vers un niveau supérieur, il le fait, etc., etc. Tout est codifié. Est-elle gratuite mm, La prise en charge Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Le patient ne paye à aucun frais. Bon, en tout cas, pour ces maladies-là, mhm. je pense, euh, prochainement, tu vas demander au ministère de la Santé, mais je mhm. pense que ça doit être gratuit. Mhm. oui, tu dois confirmer ça avec le ministère. Docteur, vous êtes euh, orthopédiste à l'hôpital Lamordé, aussi euh, ancien secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes. Que pensez-vous de la prise en charge des malades atteints du, MTN oui. Pour, le, pour la prise en charge, vraiment, comme je le dis, c'est quelque chose euh, dont il y a beaucoup de programmes dessus. La prise en charge, elle est correcte. Tout, mhm. ce qu'il faut, tout ce qui reste maintenant, mhm. c'est le suivi au niveau des malades. Mhm. C'est-à-dire, les malades doivent rompre cette barrière-là pour se rendre au moins de Ouais, mais sinon, les efforts sont vraiment considérables dans ce sens-là. Merci, docteur. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans le cas donc, euh, des maladies euh, tropicales négligées Bon, dans le cas des mm. maladies tropicales négligées, oui, il y a des choses, il y a des problèmes parce que les mm. gens qui restent mm. jusqu'au stade de complications, maintenant, ce n'est plus au niveau du CSI, c'est au niveau tertiaire qu'on est obligé de les amener pour faire certaines choses. Par exemple, le gars qui traîne sa filariose, il fait son, son éléphantiasis il reste dans son coin. Mhm. C'est vraiment un moment monstrueux qu'il va venir à l'hôpital pensant qu'on lui trouve une solution miracle. Et malheureusement, tu vois, c'est trop tard. Mhm. Ah Hamza Jibo, membre de la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne. Vous êtes acteur de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé. Que pensez-vous de la fréquentation des centres de santé par ces personnes atteintes de ces maladies Oui, effectivement, c'est que malheureusement, la plupart de ces maladies, la plupart des cas, mm. c'est des maladies euh, qui appellent à la stigmatisation. Mm. Quand vous prenez par exemple euh, les lymphantiasistes, donc vous avez vu qu'avec la déformation euh, des membres mm. ou en tout cas d'une partie du corps, en fait, la personne socialement, elle ne se sent pas acceptée par la communauté. C'est le cas aussi de la lèpre, par exemple, ou même le trachome donc c'est et ça cette situation là fait en sorte que les patients parfois ne veulent pas se référer mhm. au niveau des centres de santé. C'est ce que le docteur vient de dire. Exactement, mhm. exactement. Donc c'est vraiment eh, des cas comme ça. Et nous, dans le cadre de nos activités, nous essayons de faire comprendre à la communauté, aux patients, mhm. que effectivement ces maladies-là sont des maladies comme les autres maladies. Donc il n'y a pas une maladie où on peut dire que non, ça c'est une maladie pour laquelle socialement, je vais me sentir gêné. Non, non. Maladie égale maladie. Donc, il n'y a pas une maladie stigmatisante ou, par rapport à une autre. Donc, tant qu'on est malade, la meilleure façon, c'est de se référer au niveau des centres de santé. La prise en charge euh, dans les centres de santé euh, de ces MTN est gratuite. Mhm. Vous êtes acteur de la société civile. Que pensez-vous donc euh, de cette prise en charge des malades Est-ce que c'est toutes les maladies euh, qui sont prises en charge En tout cas, les maladies prioritaires au mhm. Niger sont prises en charge euh, gratuitement. Mhm. Parce qu'il y a des campagnes de distribution des médicaments préventifs mhm. qui sont organisées au niveau de avec au niveau du ministère de la santé à travers le programme nationale de, donc de lutte contre les maladies mhm. tropicales négligées. Et il y a ce que aussi, si on, si on se présente au niveau des centres de santé, en tout cas les médicaments pour le traitement de la plupart de ces maladies, c'est gratuit. Mhm. Voilà. Mhm. Les problèmes, les difficultés que rencontre la plateforme des ISIS dans la lutte contre ces fléaux. Ok, donc en général, hein, euh, la plateforme démocratie sanitaire et implication citoyenne, les problèmes que nous rencontrons parfois sur le terrain, c'est surtout des problèmes de collaboration. Mm. Euh, certains agents de santé pensent que bon, nous sommes venus pour euh, les inspecter ou en tout cas rapporter des informations compromettantes par rapport à leur travail, mm-hmm. alors qu'en réalité, nous nous sommes venus pour les aider. Parce que si vous avez un problème, de, un obstacle par rapport à la prise en charge des cas au niveau de votre district, c'est pas que nous dénonçons, mhm. mais nous, nous faisons en sorte que ces problèmes-là puissent avoir des solutions. Mhm. Par exemple, si vous avez une rupture de stock et que vous-même, vous avez fait les demandes et que la direction régionale ou le district n'a pas répondu, nous, en, en faisant l'alerte, ça va permettre d'accélérer en fait le processus pour que mhm. vous puissiez avoir les médicaments. Si aussi nous avons vu parmi les staffs euh, euh, des agents de santé qui offrent les services de santé, s'il y a des personnes qui se comportent mal, mhm. mais c'est tout à fait logique que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'on dénonce ça mhm. pour que cette personne-là puisse se corriger, pour vraiment sauver même euh, la fonction des médecins. Mhm. Donc vraiment, c'est surtout ça que nous avons comme problème. Et d'autres problèmes aussi que nous avons, c'est surtout aussi des problèmes d'accès à l'information. Parfois, on pense que les informations sanitaires sont des informations qu'il faut. C'est des informations, euh, comment on les dit, c'est-à-dire c'est des informations qu'il ne faut pas divulguer, alors que les informations sanitaires doivent être publiques. Mhm. Oui, oui, c'est public. Ce n'est pas des informations euh, privées ou en tout cas des informations secrètes. Mhm. C'est le mot effectivement que je cherche. C'est Ce n'est pas des informations secrètes. Plutôt, on doit communiquer, on doit dire voilà la situation, pour que les gens puissent prendre conscience euh, par rapport à ces, à ces maladies. Merci, docteur. La troisième partie euh, de ce forum est consacrée sur les moyens préventifs. La vision du Niger, un Niger libéré du fardeau des MTN, avec euh, pour mission d'intensifier la lutte contre les MTN en vue de leur contrôle, leur élimination ou leur éradication. Docteur Kongize Ziberu, quelles euh, précautions faut-il euh, pour prévenir les MTN La première précaution, c'est là où vraiment le pouvoir euh, mm, politique doit mettre beaucoup de sérieux, mhm. l'accès à l'eau potable pour tout le monde. Ça ne doit plus être une récitation ou une chanson, l'accès à l'eau potable. Parce que si vous le suivez, si vous avez suivi dans tout ce qu'on parle de, ces maladies, mhm. on met toujours l'eau en cause. Parce que ces microbes, en majorité, je te dis, évoluent dans un milieu chaud et humide. Mhm. Ils ont besoin de ça pour vivre. Eh bien, ce sont les eaux des marigots, les eaux des rivières, etc. etc. Mhm. C'est là où ces microbes-là prolifèrent. Donc, si on ne met pas suffisamment des, comment de sources d'eau potable à la disposition de la population, mhm. vous voyez, un, hein, le problème n'est pas réglé. Deuxièmement, il faut que la population, particulièrement l'éducation des jeunes, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Mhm. Parce que c'est au cours de l'éducation qu'on peut ressortir les éléments nécessaires pour l'hygiène. Mhm. L'enfant qui n'est pas sensibilisé pour l'hygiène, il ne sait pas que, bon, en, enlevant sa main de la boue et aller manger avec, qu'il qu encourt des risques. Tu vois, ça lui dit rien. L'enfant qui n'est pas sensibilisé pour savoir que l'eau de mar, il doit éviter de boire ça. Il y a plutôt, les, comment dirais-je, les, bonnes fontaines qui sont là qu'il faut, prendre. Tu vois, et ça, c'est mieux que en faisant l'éducation de ces enfants qu'on peut régler ce problème-là. Troisièmement, lorsqu'on arrive à éduquer les enfants, il faudra que, surtout les mamans aussi, les mamans parce que c'est la maman qui gère en majorité. Le papa, le plus souvent, c'est lorsqu'il y a des problèmes qu'il mm. intervient. Mais c'est la maman qui fait la prévention. Il faut que cette maman veille à ce que l'éducation qui a été donnée à l'école mm-hmm. est réellement pratiquée par les, par les mm-hmm. enfants. Mm-hmm. Donc vous voyez dans un premier temps, ce sont ces éléments dont on a besoin pour être efficace dans la prévention de ces maladies. Est-il possible d'éradiquer totalement les MTN au milieu euh, c'est bien possible si la volonté y est. Mhm. Comme on nous dit, là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin. Mhm. C'est une question de volonté. Mhm. Dès l'instant où on connaît ces maladies, on connaît leur mode de transmission, on connaît les causes, eh bien, si on met les moyens, on y arrivera certainement à bout de ces, ces choses-là. Et sur quoi, par exemple, faut-il mettre l'accent Il faut rendre l'eau potable disponible. Ça, c'est très important. Et l'eau potable, l'hygiène. Mhm. Il faut être éduqué dans le cadre de l'hygiène, l'assainissement. Et en plus de ça, il y a des produits pour traiter les eaux. Même si la personne n'a pas l'eau directement potable, mhm. il y a des médicaments pour traiter les eaux qui sont à leur disposition. Mhm. Donc tout cela, il faut qu'on les mette à la disposition. Mais tant que ces conditions ne sont pas réunies, eh bien, il y aura toujours des contaminations et malheureusement, on va rester toujours dans le cercle. Pour finir, euh, docteur, euh, quels sont les défis à relever de la lutte contre les NT au Niger euh, bon, les défis, c'est que, un, avant, au lieu d'aller vers un peu le, comment dirait, le discours politique qui te donne toujours l'échéance qu'à telle année, mm. il, y aura, zéro cas, moi, le défi que je pense qu'on doit relever, mm. c'est qu'il ne doit plus avoir des complications liées à ces maladies. Mm. C'est-à-dire, même s'il arrive qu'il y ait des contaminations, il faut que ces malades soient vus très tôt et pris en charge très tôt. Ça, c'est un. Et il faudra qu'au moins, chaque année, chaque année qu'on ait une réduction au moins de 50% de cas de nouvelles contaminations. Et comme ça, je pense, au cours de cette marche-là, mhm. on peut aller vers une solution, ne serait-ce à moyen terme, par rapport à ces maladies. Merci, docteur. Merci. Monsieur Hamza, quelles précautions faut-il pour prévenir les MTN Alors, par rapport aux MTN, dans la plupart des cas, mhm. en fait, c'est des maladies qui sont liées aux problèmes d'assainissement, aux problèmes environnemental mhm. et aussi à des comportements mhm. que nous avons. Donc, vraiment, la prévention d'abord, c'est la propriété. La propriété de notre corps les lavages des mains, aussi euh, la propriété même en tant que telle, mhm. et les habits, les, ustensiles de cuisine que nous utilisons, etc. Et deuxièmement, c'est la propriété de l'environnement, l'assainissement. Mhm. Parce que la plupart des parasites euh, qui, qui, sont euh, à la base de ces maladies, et, en fait, ils se multiplient dans des environnements malsains. Mhm. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect aussi, c'est qu'il y a certains parasites de ces maladies-là qui sont transmises par d'autres vecteurs, tels que les moustiques. Mhm. Donc, il faut aussi dormir le moustiquaire imprégné. Non seulement vous êtes préservé par, contre le paludisme, mais vous êtes aussi préservé contre d'autres types euh, de maladies tropicales négligées. Donc, vraiment, c'est surtout euh, le comportement euh, qui est vraiment le meilleur, la meilleure stratégie de prévention de ces maladies. Et que fait la plateforme euh, démocratie sanitaire et implication citoyenne dans ce sens Alors, par rapport à la plateforme, eh, en tant que plateforme, eh, en tant que structure, eh, nous, c'est surtout des activités de plaidoyer. Mhm. Nous faisons les plaidoyers budgétaires pour que le, le budget alloué à la santé puisse être rehaussé. Nos États ont pris des engagements. Mhm. Donc il y a la déclaration qu'on appelle la déclaration d'Abuja, où les États se sont engagés à allouer 15% du budget national à la santé. Aujourd'hui, au Niger, nous sommes en deçà de 10%. Donc, le premier axe sur lequel nous intervenons, c'est le plaidoyer. Pour qu'il y ait plus de ressources internes, pour qu'il y ait aussi euh, cette proportion de budget puisse augmenter pour aller jusqu'à 15%. Mm-hmm. Le deuxième axe stratégique, comme je l'ai dit, c'est le suivi des services mm. de santé est-ce que les services de santé qui sont offerts sont de qualité donc, euh, s'il n'y a pas la qualité des services, mhm. si les médicaments qu'on offre ou bien les entrants au niveau des, dispositifs de la santé ne sont pas de qualité, c'est que le traitement ne sera pas efficace. Mhm. La prise en charge des maladies ne mhm. sera pas efficace. L'autre axe, c'est la gouvernance. Il faut qu'il y ait des politiques qui sont inclusives, qui prennent en compte toutes les maladies on les appelle maladies tropicales négligées. Mais en fait, les négligées là, c'est surtout sur le plan de prise en charge, sur le plan financier, mhm. sur le plan ressources humaines formées, etc. etc. Donc il faut qu'il y ait une inclusion dans le budget alloué à la santé. Mhm. Il ne faut pas que le budget de la santé se focalise seulement sur un certain nombre de maladies et qu'on laisse les, autres maladies de côté. Donc c'est ça vraiment le travail que la plateforme est en train de faire. Euh, actuellement. Mhm. Voilà. Est-il possible d'éradiquer les MTN au Niger J'ai dit oui, puisque euh, actuellement dans notre pays, euh, il y a parmi ces maladies la celles qui sont éradiquées. Par exemple, quand je prends le cas du ver de Guinée, mhm. notre pays a eu la certification mhm. en 2013. Et aujourd'hui, en tout cas, les nombre de cas de, euh, le nombre de cas de vers de Guinée mhm. rapporté par an, c'est pratiquement zéro. Donc nous sommes dans la phase d'élimination de cette maladie. Or, avant, on connaissait bien le verre de Guinée. C'est la maladie la plus handicapante mhm. pendant la saison des pluies. Malheureusement, c'est une maladie qui se manifeste pendant la saison des pluies. Mhm. Et c'est le moment où on a besoin de la main-d'œuvre au niveau rural. C'est en ce moment-là que la maladie fait ces ravages. Donc aujourd'hui, si nous sommes en mesure d'éradiquer mhm. euh, ces genres de, de, maladies qui sont d'ailleurs liées à la consommation des eaux. Donc vraiment, les populations ont adopté un comportement mhm. à travers, en tout cas, la consommation des eaux filtrées avec euh, tout ce qu'on connaît, mhm. avec tout le programme qui a été développé. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons dire que même les autres maladies, nous sommes en mesure de les éradiquer pourvu responsabiliser responsabilise la communauté. Mhm. Voilà. Et sur quoi En mettant l'accent sur quoi Effectivement, euh, <clears throat> le premier axe, je disais, c'est ce renforcement des capacités de la communauté. Ça, c'est le premier axe. Il faut que la communauté soit renforcée. Il faut que la communauté sache, quand on dit telle maladie, en quoi elle est due, comme, quel comportement je dois avoir pour éviter cette maladie. Mhm. Si j'ai cette maladie, Comment je peux me comporter mhm. Quel traitement Où est-ce que je dois aller pour aller me traiter Deuxième axe, c'est l'information et la sensibilisation de la communauté. Mhm. Il faut que la communauté soit suffisamment informée, soit suffisamment sensibilisée pour qu'elle-même, elle puisse prendre le destin en matière de la santé euh, dans ses mains, mhm. comme on l'a dit. Et le troisième axe, c'est la mobilisation des ressources nécessaires pour faire face à ces maladies tropicales négligées. Et le quatrième axe, c'est les ressources humaines aussi. Voilà. Donc si vraiment nous arrivons à, avoir ces quatre axes-là, nous estimons que, en tout cas, nous, de notre point de vue de la société civile, nous pouvons éliminer euh, ces maladies-là appelées MTN. avant de terminer, quels sont les défis à relever dans la lutte et la prévention des maladies tropicales négligées Alors, les défis, et je crois qu'ils sont de deux ordres. Le premier défi, c'est au niveau même du ministère de la Santé. Mm. Et le premier défi, c'est la mobilisation des ressources nécessaires pour faire face à ces maladies tropicales négligées. Le deuxième défi pour le ministère de la Santé, c'est la mise à disposition des médicaments à temps mm-hmm. et en quantité et surtout aussi en qualité au niveau des districts sanitaires. Parce que quand vous prenez la majorité de ces maladies tropicales négligées, elles sont présentes presque dans tous les districts sanitaires du Niger. Mm-hmm. Et le troisième défi, c'est la formation du personnel mm-hmm. pour que ces personnels de santé-là puissent vraiment véritablement euh, prendre, véritablement participer à la prise en charge de ces maladies. Mm-hmm. Le défi maintenant au niveau communautaire, c'est justement la responsabilisation de la communauté. Je le disais, il faut que la communauté soit responsabilisée, il faut que la communauté puisse être actrice et non spectatrice de son destin. Il faut qu'elle elle-même qu'elle puisse vraiment prendre sa responsabilité en main. Et le troisième défi, c'est vraiment la coordination des interventions. Il faut que ce que le gouvernement prévoit, ce que la société civile fait et ce que le gouvernement, la communauté fait, et même le secteur privé, que ça puisse être complémentaire. Mhm. Ça ne sert à rien de faire les choses chacun de son côté. Mhm. Donc tant qu'il n'y a pas cette coordination, nous ne pouvons pas éliminer ces maladies-là, euh, malheureusement. Merci Hamza. Nous sommes au terme de ce forum sur les maladies tropicales négligées MTN, les causes et mesures préventives. Vous avez suivi l'intervention des invités sur la question des MTN, ce problème de santé majeur qui sévit dans les pays en développement. Au Niger, des efforts significatifs ont été enregistrés, notamment dans la prise en charge des malades. Mais les défis restent énormes pour euh, éradiquer ou éliminer les MTM dans notre euh, pays. Je, je le répète aussi euh, que nous avons approché la coordination nationale de lutte contre les maladies négligées qui a donc prouvé la pertinence du sujet. Après plusieurs contacts d'échange, la coordination n'a pas voulu participer à ce forum. Nous étions donc euh, en compagnie de Dr Kungize Zibeirou, ancien secrétaire général du syndicat national des médecins spécialistes et orthopédistes à l'hôpital Lamordé et Hamza Jubo, membre de la plateforme Démocratie sanitaire et implication citoyenne. La présentation est assurée par Fatih Zakari, la technique Amina Hassan.